Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook euh, Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'état professionnelle. Selon les Nations Unies, l'édition 2024 de la Journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Le développement durable est menacé. La triple crise planétaire, changement climatique, perte de biodiversité, pollution de l'air et ses liens avec les questions de santé la nécessité de renforcer la démocratie, de lutter contre la désinformation sur les plateformes numériques, entre autres, sont devenus des défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions, des explications et des analyses la situation de la crise environnementale au Niger, les difficultés et les avancées enregistrées en matière d'adaptation au changement climatique. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Mariama Adamou, membre du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Bonsoir Mariama. Bonsoir. Sani Aboubakar, membre du réseau des journalistes pour l'environnement. Bonsoir Sani. Bonsoir et Sani Ayouba, secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Bonsoir Sani. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Sani Ayouba, acteur de la société civile qui milite au niveau des questions qui concernent l'environnement. Le Niger a adhéré très tôt à la dynamique mondiale de lutte contre le réchauffement climatique par la signature et la ratification respectivement en juin 1992 et en juillet 1995 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui plusieurs décennies après Sania Yuba. Oui, merci beaucoup. Je profite à souhaiter une très bonne célébration à l'ensemble des journalistes et j'espère que cette journée sera mise à profit par vos confrères pour contribuer dans la sensibilisation par rapport aux défis environnementaux. Pour euh, revenir sur la question, je pense que le Niger, en signant et ratifiant l'ensemble des conventions, comme on dit, post trio au-delà de la convention cadre sur le changement climatique, c'est l'ensemble des trois conventions post trio qui ont été signés et ratifiés et l'ensemble des protocoles ou d'autres euh, euh, cadres ou accords suivant les différentes rencontres, les COP qu'on les dit que le Niger a eu à signer et ratifier. Et le Niger a élaboré l'ensemble, en tout cas, des politiques publiques sur ces secteurs, sur ces questions, que ce soit le plan national d'adaptation, la contribution nationale déterminée au niveau national, plusieurs communications sur les émissions de gaz à effet de serre ce qui témoigne quand même de la volonté politique au niveau du Niger pour apporter sa part au niveau international. De l'autre côté, quand on prend sur le plan national, sur le plan national, on constate quand même que depuis la, la signature et la ratification de cette convention, plusieurs projets et programmes ont été développés et ont pu avoir accès à ce qu'on appelle les mécanismes de financement climatique. On dénombre à peu près une douzaine de projets et programmes qui ont été financés d'une hauteur de plus de 500 millions de dollars, je crois, que le Niger a eu à mobiliser par rapport à la finance climatique pour renforcer sa résilience. 500 millions de dollars, vous pensez que c'est assez face à l'urgence climatique euh, Les 500 millions, c'est à un horizon temporel bien défini. Parce que les besoins du Niger qui ont été exprimés, que ce soit dans la CDN, la contribution nationale déterminée ou le plan national euh, d'adaptation, dépassent annuellement cela. Donc, euh, on parle à peu près de, si je ne me trompe pas, de 900 900 millions de dollars par an par rapport aux besoins qui ont été exprimés dans le cadre de la CDN, si j'ai bonne mémoire par rapport aux chiffres. Mais c'est pour dire que euh, le Niger ne reste pas en marge, que le Niger bénéficie quand même de l'appui de la communauté internationale pour renforcer sa résilience. Oui, mais est-ce que les actions sont visibles sur le terrain au Niger je pense que euh, ça, c'est aussi le rôle des journalistes aussi d'être sur le terrain pour constater de visu avec les communautés l'impact de tous de, ces investissements. Pour notre part, en tant qu'acteurs non étatiques, nous ne pouvons que juger de l'impact des projets que nos organisations mènent en direct avec les communautés et les projets ou programmes auxquels nous sommes associés ou impliqués, que ce soit dans leur mise en œuvre ou dans le cadre du suivi évaluation. Je parlerai par exemple dans les années 2008 jusqu'à 2016 ou 2018, le Niger a eu un financement de 110 millions des dollars de la Banque mondiale à travers les fonds d'investissement climatique pour renforcer la résilience. Donc ce programme a permis quand même de, de mettre quelques projets en œuvre dans la zone d'intervention. Mais également, en dehors de ça, il y avait le projet PANA Résilience, les projets d'adaptation, d'action nationale pour l'adaptation, qui a également contribué à la résilience du secteur de l'agriculture et autres, que ce soit à Dokoro ou dans d'autres villes du Niger, pour lesquelles on peut quand même aisément voir euh, la portée ou l'impact de ces initiatives. Mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'on a investi autant d'argent qu'on peut arrêter la crise climatique. La crise, et même le changement climatique, c'est à des horizons temporels bien définis, c'est au-delà des 20 ans. Donc tu ne peux pas investir aujourd'hui de l'argent pensant que l'année prochaine ou dans deux ans, tu verras les résultats ou l'impact. Donc c'est vraiment une, une question de développement parce que l'urgence est à part il y a les actions d'urgence, l'action humanitaire et tout, mais les actions de développement, c'est à long terme qu'on peut voir. On investit aujourd'hui un dollar, c'est pour avoir l'impact dans cinq ans, dans 10 ans. Donc c'est pourquoi il faut faire des études pour évaluer véritablement la bonne marche des années 92 à nos jours, où est-ce que nous en sommes. Selon, selon vous, Sania Ayouba, le Niger est donc sur la bonne voie Oui, je dirais que le Niger est sur une voie quand même qui, si on continue dans la lancée, on peut atteindre les résultats. Mais on a une capacité, en tout cas les défis, il y a beaucoup de défis qui restent pour le pays en termes de mobilisation des ressources. Il y a, d'ailleurs, c'est un peu complexe. Il y a la question de mobilisation qui est toujours faible parce que on a une capacité assez faible aussi de mobilisation là où des pays, de ressources humaines, des ressources humaines compétentes et même peut-être des démocratisations de, de, ces questions ou même des délégations, qui fait en sorte que aujourd'hui sur le portefeuille, on a une douzaine de projets, alors que certains pays sont à une trentaine de projets déjà financés. Vous voyez un peu en termes de mobilisation. Et de l'autre côté aussi, il y a même la question d'absorption. Aujourd'hui, des programmes ont, ont des ressources, mais malheureusement, ils n'ont pas cette capacité d'absorber les ressources prévisionnelles durant une année donnée, par exemple. Si on prévoit qu'un projet doit dépenser ou exécuter des activités à hauteur de 100 millions de francs CFA par an, souvent ils arrivent qu'à la fin de l'année, quand on fait les bilans, ils n'ont consommé que 70% ou 80%. Comment Alors, expliquer cet état de fait Mais cet état de fait, je ne sais pas, ça s'explique par une question de gestion. C'est ça la capacité des ressources humaines conséquentes. Et c'est aussi, je ne sais pas, c'est peut-être une question de volonté. Les responsabilités peuvent être situées, mais je pense que nous devons prendre l'exemple sur certains pays de la sous-région qui, quand elles leur donnent par exemple 10 millions de dollars pour une année, à la fin de l'année, ils vont dire même qu'ils ont euh, dépensé 11 millions de dollars parce que ils arrivent à observer ça, à consommer et à faire des activités comme ça c'est doit. Mais les Nigériens ou au Niger, on a euh, cette peur ou je sais pas euh, cette léthargie dans l'exécution des projets. C'est pourquoi on est tout le temps confronté souvent à l'appel peut-être d'autres compétences externes ou bien toujours demander des extensions sans coût pour les projets. Un projet de 5 ans ou un programme de 5 ans, à la fin, on estime qu'il y a 30% du budget qui reste. Il faut demander des ans supplémentaires. Alors que si on avait fait la possibilité de consommer ça avant même la période prévisionnelle, on peut demander des ressources additionnelles. Mais nous, c'est toujours du temps additionnel qu'on demande la plupart vous du êtes, temps. Vous êtes des acteurs de la société civile, du domaine de, la lutte contre les changements climatiques. Que faites-vous pour amener le gouvernement à avoir un œil regardant sur euh, cette problématique. Oui, nous, dans ce sens, nous faisons plus de plaidoyers pour euh, quand même rappeler la nécessité d'agir, la nécessité de faire des actions concrètes en direction des communautés. Mais également, nous essayons aussi de faire les liens avec les partenaires pour comprendre aussi selon le contexte. Par exemple, nous sommes face à une crise sécuritaire, à une crise humanitaire. Donc, c'est des éléments qu'on peut mettre à l'actif souvent pour expliquer certaines situations. Mais nous essayons aussi de plaider pour qu'il y ait plus de projets décentralisés, qu'il y ait plus de délégations dans la gestion des projets, qu'il y ait plus de flexibilité que les communes soient véritablement les portes d'entrée, les portes d'intervention ou euh, au niveau local pour recevoir les activités, que tout ne soit pas comme du top-down, comme on le dit, c'est-à-dire du sommet vers les bas, mais que les projets aussi souvent, peut-être que ça ne répond pas euh, véritablement aux besoins et aspirations des communautés. Et dans ces cas, il n'y a pas une meilleure appropriation, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de participation. Et cela aussi peut freiner l'élan de la mise en œuvre. Donc c'est pourquoi il faut, dans la plupart des cas, faire en sorte qu'il y ait des comités multi-acteurs de collaboration, de coordination, de gestion et surtout impliquer l'ensemble des parties prenantes. Et c'est d'ailleurs pourquoi aussi cette thématique de, de l'année tombe à point, parce que les journalistes doivent être considérés comme des acteurs à part entière. On ne doit pas juste appeler des journalistes que pour couvrir des événements, pour la signature des conventions ou pour faire des publicités. Les journalistes doivent s'intéresser à ces questions parce que en s'intéressant, ils peuvent amener aussi. Vous pensez qu'au Niger, les journalistes ne font pas assez euh, Oui, absolument. Il n'y a pas assez de production journalistique par rapport on on va revenir à la question, le temps de donner la parole à Mariam Adamou. Mariam Adamou, euh, changement climatique constitue une menace euh, pour euh, le développement des pays, notamment pour l'atteinte de leurs objectifs de réduction de la pauvreté et du développement durable. Comment amener les décideurs à inscrire les actions d'adaptation et d'atténuation au cœur des priorités Merci beaucoup, Mokhtar, pour donner la parole et surtout pour cet honneur que vous m'offrez euh, pour discuter autour de cette thématique combien de fois importante. Euh, vous êtes sans savoir que les changements climatiques affectent énormément euh, le bien-être et les conditions de vie de nos communautés et depuis quelques années. ils affectent notamment plusieurs aspects de la vie des communautés. Euh, par rapport aux différentes actions d'adaptation que les gouvernements doivent inscrire. Euh, il s'agit là pour les journalistes, euh, parce que nous savons tous que le journalisme est considéré comme le quatrième pouvoir. Donc nous avons cette force-là de porter haut ce qui se passe. Donc, c'est de d'impliquer, comme déjà l'a dit Chef Sani, c'est d'impliquer les journalistes dans la mise en œuvre de tous les projets programmes, de ne pas les utiliser seulement pour les couvertures médiatiques ou bien pour qu'ils viennent euh, faire euh, la signature des conventions ou bien même euh, couvrir seulement les activités. Il faut que les journalistes soient impliqués dès l'élaboration de ces différents programmes et politiques. Et oui, vous pensez que la crise environnementale fait partie des priorités euh, du gouvernement nigérien euh, Bien sûr que la crise environnementale fait partie des priorités du gouvernement nigérien. L'on constate en tout cas... Euh, la prise en compte d'abord du changement climatique dans les différentes politiques et stratégies au niveau national, mais également euh, l'élaboration des différents projets, programmes euh, au, niveau national aussi. Et surtout, euh, tous les jours, nous voyons l'État en collaboration avec ses partenaires et même les organisations aussi qui militent pour le changement climatique. Mariama Adamou, les changements climatiques préoccupent aujourd'hui la communauté scientifique internationale et le monde entier en raison de leur impact négatif sur les hommes et les écosystèmes. Au niveau de votre organisation, le REGIA, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, quelles solutions préconisez-vous dans le court, moyen et long terme euh, cette question, elle est très pertinente. Euh, comme on le sait tous, euh, le changement climatique affecte euh, les communautés. Le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, comme on aime le dire, nous sommes des journalistes au service du développement durable. Nos actions sont plus orientées vers les actions concourant à garantir le développement durable. Donc, dans le cadre du changement climatique, les actions que nous préconisons surtout, c'est euh, la mise en œuvre effective des différents projets et programmes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous élaborons euh, beaucoup euh, de projets, beaucoup de programmes, mais souvent dans la mise en œuvre, elle n'est pas effective et surtout il n'y a pas un selon suivi. Selon vous, pourquoi la mise en œuvre de tous ces projets et toutes ces politiques ne sont pas effectives ici au Niger Je dirais ça, ça a surtout un lien avec l'engagement des acteurs. Je pense que les, acteurs, euh, sur le point élaboration, nous sommes vraiment engagés, mais dès qu'il s'agit de mise en œuvre, il y a vraiment euh, une réticence ou bien on ne va pas jusqu'au bout. Alors que dans les documents, c'est vraiment clair, et ça peut permettre d'atteindre les objectifs, les différents objectifs. Mais dans, le, dans la mise en œuvre, il y a vraiment des failles. Est-ce que vous sensibilisez euh, également les populations euh, sur les questions liées à la crise environnementale Donc, euh, l'une de nos domaines d'intervention, c'est l'information, c'est également la sensibilisation. La sensibilisation à tous les niveaux. La sensibilisation des communautés sur les effets néfastes du changement climatique. à travers quel canal donc, euh, les médias, euh, les, réseaux sociaux. Les médias, les réseaux sociaux, mais également euh, les sensibilisations directement avec les communautés elles-mêmes, les mobilisations sociales, nous sensibilisons les communautés. Donc, je disais que c'était à plusieurs niveaux. Il y a aussi la sensibilisation au niveau des organisations, des acteurs qui interviennent dans le domaine du changement climatique, donc euh, comme les activités de renforcement de capacités que nous faisons. Merci beaucoup, Mariama Adamou. Sani Aboubakar dans le contexte actuel de la vulnérabilité climatique croissante, euh, divers euh, secteurs socio-économiques sont fortement impactés, notamment l'agriculture, l'élevage, la foresterie. Que fait le réseau des journalistes euh, pour l'environnement pour aider à s'adapter Merci pour cette opportunité que vous nous offrez à l'occasion de la célébration de la 31e journée de la journée mondiale de la liberté de la presse. Je profite de cette occasion au nom du réseau des journalistes pour un environnement sain pour souhaiter bonne fête euh, à tous les confrères, à tous les journalistes et puis avoir une pensée particulière aux confrères privés de leur liberté. Donc, euh, par rapport à votre question, je dirais que le réseau des journalistes pour un environnement sain mène beaucoup d'activités. D'abord, c'est des activités de formation des journalistes euh, tout récemment, nous avions organisé une série de formations des journalistes de radio communautaire de l'ensemble du pays. Nous avons regroupé les journalistes de Dosso et Tilabéré à Dosso, ceux de d'Agadez et Tawa à Tawa et ceux de Difa, Zander et Amaradi. Donc, ils ont été formés sur comment réaliser des émissions interactives sur le changement climatique. Ensuite, euh, le réseau mène des activités de sensibilisation, surtout à l'endroit des journalistes d'abord, pour les amener à prendre conscience des enjeux des changements climatiques, lesquels ont des impacts négatifs sur la vie des milieux de population. si on prend par exemple euh, le, cas de la mort de Tabalak, qui, a, qui s'est qui a connu plusieurs assèchements depuis plusieurs années, et de 13 espèces de poissons. On se retrouve aujourd'hui à 6 espèces. C'est là, voire de ça qu'il y aura des impacts pour euh, servir la vie des populations riveraines qui vivent que de la pêche ou bien de l'existence de ce zoo. Et le journaliste a un rôle à jouer dans ce sens. Donc, euh, mais il doit jouer ce rôle en toute responsabilité afin de donner des informations crédibles et vérifier aux populations, au public. Tout, à l'heure, Sania Yuba <coughs> disait que malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, les journalistes, comme beaucoup d'autres, restent à la traîne. Les journalistes ne s'intéressent pas aux questions de l'environnement et du climat ici au Niger. Euh, je suis parfaitement d'accord avec. Euh, Mais comment expliquer ce état de fait Cette situation est due, à mon avis, à un certain nombre de réalités. D'abord, le journaliste, euh, il appartient à une rédaction le promoteur du journal ou bien de la radio ou de la télévision a besoin euh, d'informations qu'il peut vendre ou bien qu'il peut a une valeur ajoutée économique pour euh, sa structure. Donc, il va de ça que lorsqu'il y a une couverture médiatique de l'autre côté, hein, c'est un sujet Il y a aussi le service public euh, qui doit assurer euh, très malheureusement, Très malheureusement, la, question financière, primo serait le service public le journal ou bien le média doit, être appelé à assurer Oui, mais comment amener euh, les confrères à changer d'attitude face au climat Effectivement, par rapport à ça, moi je pense que dans un premier temps, c'est surtout la sensibilisation et amener les, promoteurs, d'abord à prendre conscience, conscience euh, de, cette situation, de ces enjeux climatiques. De sa mission aussi, de sa mission. De sa mission, de leur mission de service public. Ensuite, euh, les journalistes aussi de leur mission, de leur, euh, qui, qui, relèvent de leur mission, les, enjeux du changement climatique. Et tout à l'heure, Sana Yubo parlé, effectivement de les journalistes ne sont là que pour couvrir des activités. Or, c'est pas <laughs> seulement leur, mission comme ça. Le journaliste ne, doit pas intervenir quand il y a une catastrophe. Ils doivent anticiper. intervenir pour anticiper à travers des articles, des reportages et des enquêtes, surtout des investigations. Aujourd'hui, il est déplorable au Niger, il n'y a pratiquement aucune investigation, aucune enquête sur euh, dans le secteur de l'environnement. Or, il y a des préoccupations qui sont là. Nous sommes là. Cela veut dire que votre réseau a des défis réels euh, euh, devant, lui. Le réseau des journalistes pour un environnement a effectivement des défis à relever. Et elle est en train de se atteler pour euh, relever ces défis. Certains de ces défis. Je ne dire pas tout, mais certains de ces défis quand même auront trouver des solutions euh, Sani Aboubakar, les impacts euh, des changements climatiques sont observés au niveau mondial, régional, <laughs> national et local et appellent à une action collective. Avez-vous pensé à cette préoccupation Effectivement, nous avons passé, nous sommes en train même de réfléchir sur comment à travers le réseau, mettre une plateforme qui va amener les journalistes d'abord à, s'intéresser ou bien à partager des idées. À créer un cadre de, par exemple, de réflexion avec qui va, qui va intégrer des chercheurs, des scientifiques et des journalistes pour pouvoir échanger de temps en temps sur euh, ces problématiques, sur ces enjeux, sur ces menaces sur l'environnement votre réseau quand même a une dizaine d'années euh, d'expérience. Vous pensez que les, défis sont euh, énormes, les défis qui se dressent devant le réseau dans le domaine de la crise environnementale Les défis sont énormes pour le réseau. Et d'abord, euh, avant tout, le premier défi, c'est d'abord comment conscientiser les, journalistes, comment amener les journalistes eux-mêmes à prendre conscience. Parce que le, le, top de part, c'est la conscience, la prise de conscience des journalistes. Moi, je me rappelle quand, j'ai commencé à parler de questions environnementales, j'ai d'abord et avant tout eu l'aval de mon directeur de publication. C'était à l'époque au journal L'événement. C'était lui qui m'a inspiré et c'était certains contextes, c'était lui-même qui m'a facilité. Et je me suis lancé. Euh, dans un premier temps, on se retrouve face à un autre défi au niveau même de la rédaction. Tu écris ton article, c'est une question environnementale. Et un autre article, on te dit non, donc, son sujet n'est pas périssable. On va publier entre-temps un sujet qui est... Donc, ça, veut dire que les questions environnementales ne sont pas prioritaires ne sont pas, ne sont pas prioritaires. Au, sein des organes de presse. Non, non, ne sont pas prioritaires. Malheureusement, je suis de désolé de les ne sont pas prioritaires. Oui, mais comment amener euh, les promoteurs et même les journalistes à inscrire euh, les questions euh, climatiques au cœur des, engagements, au cœur de leurs priorités C'est ça, justement, je ne sais pas... Dans un c'est énorme. C'est vraiment une lutte, euh, un combat acharné qu'il faut, mener d'abord au niveau du journaliste même et au niveau de promoteurs. J'avoue que c'est un combat de longue haleine, mais c'est pas, c'est pas, c'est, pas facile. Tout à l'heure, Sani Ayouba disait que le gouvernement nigérien et ses partenaires font assez euh, dans le domaine euh, de l'environnement. Vous pensez la même chose Non, je pense pas. Bon, font de leur mieux, mais Selon vous, euh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup qui reste à faire, à faire. Surtout l'accès, l'accès à l'information. Nous sommes confrontés à, cette difficulté, l'accès à l'information, surtout aux, aux, documents publics. Aujourd'hui, si vous voulez réaliser un simple reportage, un simple papier sur euh, la pêche, par exemple, on vous demande de vous adresser à la direction de la presse. À travers une correspondance À travers une correspondance. Et le monsieur dira que non, il faut qu'il ait l'aval du ministre. C'est long pour un journaliste, pour réaliser un reportage de 2 à 3 minutes. Il faut passer toutes ces, chaîne pour, avoir, pour accéder à l'information. C'est ça, je pense, que, qui, bloque un peu l'engagement des, confrères. Merci à vous trois. On a servi une courte pause. On commence avec vous, Sania Yuba. L'adaptation concerne les politiques, les pratiques, les projets susceptibles de limiter les dommages et ou de créer des opportunités associées au changement climatique. Qu'est-ce que le gouvernement nigérien fait ou peut faire à ce sujet Oui, je pense qu'il faut rappeler déjà l'adaptation au changement climatique consiste à agir sur les impacts du changement climatique, donc les conséquences du changement climatique. Parce que nous sommes dans un contexte euh, ici au Sahel où nous vivons déjà les conséquences du changement climatique. à travers la forte chaleur. À, à travers l'élévation des températures. Nous sommes au bord du fleuve. Regardez la quantité de l'eau qu'il y a en cette période. Regardez tout ce qu'il y a comme ensablement, comme pollution. Regardez les sachets plastiques autour. Tout ça, c'est des défis, c'est des sujets sur lesquels nous devons tous en parler. Mais en parlant d'adaptation, je pense qu'il est important de rappeler que euh, du point de vue politique, il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été élaborées. Mais euh, le problème crucial, c'est la mobilisation des ressources et leur quel, quel genre de ressources Les ressources financières, les ressources humaines Les ressources financières d'abord, mais également les ressources financières. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne constate pas qu'il y a des languements autour de la formation, même sur ces questions. La formation de qui la, formation des, cadres. La formation des cadres. La formation, c'est-à-dire, ce n'est plus. Avant, les gens s'orientaient. Il y a l'IPDR qui formait. Euh, euh, ceux qui s'intéressent au développement rural, les gens partaient. Mais la plupart du temps aujourd'hui, même la formation professionnelle, c'est plus sur les métiers de la finance, les métiers de la banque, les métiers de communication que des métiers en lien avec l'écologie, en lien avec l'environnement. Donc c'est important aussi euh, pour développer, pour euh, accroître en tout cas cette résilience, qu'il y ait des cadres ou du personnel en tout cas suffisamment formé, ayant les aptitudes nécessaires pour conduire les projets d'adaptation, pour conduire les projets de résilience. Parce que sans cela, même si on a les ressources, on n'a pas la ressource, euh, si on a la ressource financière, on n'a pas les ressources humaines compétentes pour agir dans ce sens, on aura toujours des handicaps euh, dans l'atteinte des, objectifs qu'on s'est fixés. Donc je pense qu'il sera très important d'orienter davantage les jeunes. Oui, mais au, Niger, est-ce que les Nigériens sont prêts à s'adapter Mais euh, ce n'est même pas être prêt ou pas. C'est une question, on n'a même pas le choix. C'est une nécessité, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. nous Est-ce que les communautés le savent Aujourd'hui, euh, certaines communautés en sont véritablement conscientes parce que quand on remarque un milieu rural où vos terres se dégradent d'année en année, parce que les études ont montré qu'au Niger, il y a plus de 100 000 hectares, ou non, 300 000 hectares qui se dégradent annuellement. Et les efforts, même dans la politique de, euh, la GDT, la gestion durable des terres dégradées, on dit on espère juste récupérer 100 000 hectares par an. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un gap. Ça, c'est même les efforts qu'on dit. Alors, l'urgence aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il faut déjà stopper la dégradation des terres. Et en même temps, il faut récupérer les terres dégradées. Comment cela tout peut se faire Tout cela nécessite de gros moyens. Absolument, et une prise de conscience que le gouvernement actuel, le gouvernement nigérien actuel a les moyens de faire face à tous ces défis-là Aucun pays dans le monde ne peut faire seul face à la crise climatique. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a des coordinations, il y a ces conventions. Parce que c'est aussi une question d'injustice, il faut le rappeler, la question du changement climatique, c'est une question d'injustice. Nos pays ne sont pas à l'origine de cette crise. C'est les pays industrialisés qui étaient à la base. Et à l'époque, il y avait même, dans les années très récentes, il y a ce qu'on appelle les pollueurs-payeurs. Ceux qui polluent doivent payer. Oui, mais est-ce que c'est le aujourd'hui Oui, mais tout dépend en fait de l'engagement des États. Les pays qui font l'offensive nécessaire arrivent à récupérer des fonds parce que les fonds verts existent. Les fonds verts est toujours, alimentés euh, en tout cas, est toujours alimenté pas les pays pollués, pas les pays industrialisés. Mais il appartient maintenant à chaque État, parce que ce n'est pas un quota. On ne donne pas l'argent comme ça. Il faut que les États préparent les documents nécessaires pas de faire le plaidoyer pour demander et avoir accès à ces financements. Donc, tant que euh, l'autorité reste à la traîne, il n'aura pas accès à cela. Les États qui mènent l'offensive arrivent à avoir les ressources et renforcer leur résilience, aider leur communauté à s'adapter. Parce que nous, dans nos pays, au, sud du Sahara, on ne parlera plus d'adaptation parce que nous sommes déjà dans la crise climatique. Donc ce n'est pas une prévision. Donc il faut que les gens comprennent ça. Donc la seule solution qu'on a, c'est l'adaptation. Donc il faudrait que toutes les actions qu'on mène puissent concourir. Déjà, les politiques ont identifié les secteurs qui sont très impactés par le changement climatique. Donc il faudrait juste voir les solutions que les experts ont proposées. Il faudrait tenir compte aussi comme dans la plupart des pays, euh, des, euh, des, bonnes pratiques endogènes portées par les communautés. Parce que quand il y a une inondation, quand il y a de la sécheresse ou des feux de brousse, les communautés n'attendent pas les sapeurs-pompiers, ils n'attendent pas l'État. Ils ont déjà des mécanismes de réponse rapide avant l'intervention de toute aide extérieure. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est aussi de prendre en compte ces bonnes pratiques communautaires pour les améliorer, pour mettre de l'innovation dedans. Comme ça, les communautés vont comprendre que ça, c'est déjà une pratique qu'elle faisait avant maintenant qui est améliorée, qui a été modifiée pour que ça ait plus d'impact pour réduire leur vulnérabilité et renforcer leur résilience. Merci beaucoup, Osania Yuba, Mariama Adamou. Euh, selon les experts, la disponibilité de l'eau par habitant baissera d'ici 2080, euh, principalement en raison de la croissance démographique. Euh, quand et comment agir selon vous Agir, je pense qu'il faut agir maintenant et parce que euh, la question du changement climatique euh, en lien avec les ressources en eau est très cruciale. Euh, plusieurs ont démontré que les changements climatiques ont des impacts considérables sur la ressource en eau. On constate euh, l'assèchement euh, des cours d'eau, l'ensablement également des cours d'eau et plusieurs autres aspects. Euh, comment agir pour faire face à ça Au REGEA, nous sommes particulièrement intéressés par cette question-là. Euh, à cet effet, nous avons même organisé un atelier de formation des journalistes euh, sur les questions de changement climatique et la sécurité de l'eau, parce que nous avons jugé que c'est vraiment une thématique assez importante qu'il faut aborder. Il faut d'ores et déjà préparer ces journalistes-là à aborder euh, ces questions-là. Donc, et également par rapport à cette thématique de la question du changement climatique en lien avec les ressources en eau. Nous sommes impliqués également euh, avec d'autres organisations dans euh, l'élaboration et aussi euh, le suivi des politiques publiques. Par exemple, il y a le CNEDD qui a élaboré un document, le plan national d'adaptation au changement climatique en lien avec les ressources en eau. C'est euh, une initiative une initiative autant pour moi auquel nous avons participé depuis le départ, depuis l'élaboration, l'enrichissement et même la validation. Et ils nous ont également impliqués actuellement euh, dans la vulgarisation de ce document-là. Je pense que euh, il faut agir maintenant si vraiment on veut sauver notre planète. Mariama Adamou, selon toujours euh, les experts, l'agriculture, la biodiversité, la santé, les infrastructures et l'eau sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Euh, selon vous, quelle est la meilleure recette en termes de communication pour amener ou aider les populations nigériennes à s'adapter Donc pour amener les populations nigériennes à s'adapter, il faut d'abord informer parce que euh, il n'est pas sans savoir que plusieurs personnes n'ont pas cette information-là. On doit d'abord informer les communautés, pas seulement les communautés, et aussi tous les acteurs quant à cette situation. Et aussi les sensibiliser quant aux précautions et aux mesures qu'ils doivent prendre euh, pour faire face à, cette situation-là également. Et par rapport à l'agriculture également, euh, le Régia est très impliqué à travers euh, L'utilisation des semences euh, voilà. bon, les, les, semences paysannes plutôt que les semences améliorées, mais également la promotion de l'agroécologie paysanne, qui est une pratique qui permet aux communautés euh, d'adapter leur sol. Donc, en utilisant, euh, en faisant de l'agroécologie, les sols sont protégés. Euh, les aliments qu'ils vont avoir à l'issue euh, de ces cultures-là, elles seront bio et elles vont pas affecter leur santé. Donc, le Régia est œuvre également dans ce contexte-là à promouvoir l'agroécologie à tous les niveaux auprès des communautés, à renforcer également euh, les capacités des communautés sur les techniques agroécologiques. Merci beaucoup, Omar Yamadamou, Sani Aboubakara une année sur trois, on enregistre un fort déficit de plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales. Cette situation oblige à des importations vivrières importantes et la mise en œuvre de l'aide alimentaire internationale. Euh, peut-on avoir une réponse à ce phénomène les crises, les, crises climatiques qui engendrent des défis euh, céréaliers au Niger oui, les, crises alimentaires, les crises alimentaires sont effectivement dues aux sécheresses, on dit une année sur deux. Et la sécheresse reçoit une année sur deux au, Niger. Il faut remarquer que non, au Niger, ce n'est pas seulement les impacts du changement climatique, il y a aussi des réalités qui sont là. La plupart de nos céréales sont emportées, ne pas Le riz, le maïs. Le riz, le maïs. Euh, si ce n'est pas euh, ces, dernières années, il y pratiquement la, consommation du riz local est très très minime. Pourtant, on a la meilleure production au, monde. La, production, par exemple, dans la région de, de la production de, riz, c'est faite deux, deux, fois par an. À fois aussi, on produit du riz. Comment expliquer cet état de fait Est-ce que le riz local est plus cher que. Euh, euh le, riz local est, moins cher même que, que, le riz importé. Ces derniers jours-là, j'ai constaté que les gens font recours même au riz local parce que c'est moins cher que le riz importé. Parce que le riz importé n'arrive plus au pays. Maintenant, euh, les gens sont obligés de, faire recours au, au, riz local. Seulement, le problème, <laughs> je pense, c'est que j'ai constaté, le problème, c'est que le rue local n'est pas tellement vulgarisé. Je sais pas, c'est au niveau de la société ou bien au niveau des producteurs. Il n'y a pas une, vulgarisation à l'image de, de, riz importé. Ça se produit, mais ça se vend dans, les marchés. Vous voyez, c'est comme quoi on vend, du riz. Mais les gens préfèrent aller dans les magasins, dans les autres boutiques pour prendre du riz qui, qui, qui est de qualité loin de qualité inférieure même à celle à, à Est-ce que, cela a un lien avec le changement climatique Le lien avec le changement climatique, c'est un lien. Parce qu'on peut, on peut assister à une baisse de production au niveau international. Effectivement, c'est ce qui s'est passé cette année avec, euh, en Inde, je crois, où il y a eu une baisse de production risicole. Or, au Niger, on peut, si, si le, riz local était vulgarisé, on peut, on peut faire recours à ça sans pour autant attendre l'importation du riz indien ou bien du riz pakistanais. Euh, Sani euh, euh, qu'est-ce que les décideurs peuvent faire au niveau de, de, la hausse des températures pour un peu amondir le choc vous parlez des décideurs, je ne sais pas, c'est au niveau national ou Au niveau national. Parce qu'au niveau national, le Niger n'est pas. Et même au niveau international. peut au niveau international pour amener les gens comme moi. Ça s'est discuté dans lors de différentes euh, COP. Amener les, pays industrialisés à revoir leur euh, production de, gaz, à, de gaz à effet de serre. Maintenant, le problème qui se pose, de l'autre côté, on leur demande d'arrêter les, usines ou bien de, ne plus faire recours aux usines des infrastructures qui dégagent des gaz à effet de serre. Et nous autres, à, notre niveau, nous avons besoin de l'énergie pour, <laughs> faire la production, pour euh, nous alimenter, pour avoir de l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on peut, régler ce, problème Moi, je pense que la difficulté, c'est à ce niveau. De l'autre côté, on leur demande d'arrêter ou bien de réduire. Et nous, le pays qui soit le moins émetteur, certains pays font recours à des usines, à des... Vous pensez au, Niger avec l'utilisation de la centrale euh, thermique diesel de Gorubanda et euh, la centrale de Boudel. Non, le Niger, c'est pas... ça, c'est très minime, ça, c'est très... C'est très minime, minime c'est que ben, l'usine de, de Cela n'est pas une situation de nature à encourager le gouvernement à, utiliser Non, non, ça, le Niger, c'est une nécessité pour C'est pas un encouragement, mais c'est une On a besoin de l'énergie et il faut qu'on le produise. Merci beaucoup, Sani Abubakar euh, Mariama Adamou. Quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour promouvoir les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique au Niger Rapidement. Donc, euh, pour promouvoir les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique, je vais particulièrement m'adresser euh, aux journalistes que nous sommes. Et il va falloir que nous sensibilisons le public à travers les différents canaux que nous avons et aussi mettre en lumière les différents problèmes liés euh, au changement climatique. Il faut que nous arrivions à informer les communautés sur les différents impacts du changement climatique et comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre euh, pour se protéger, mais également euh, de diffuser les bonnes pratiques, si je peux le dire ainsi, les différentes actions qui sont en train d'être réalisées de partout au Niger par l'État, par les partenaires, par les organisations. Il faut que les journalistes euh, vulgarisent ces bonnes, pratiques-là euh, auprès des communautés. Merci beaucoup, Omariama Adamou, euh, Sania Yuba. Vos propositions de solutions rapidement Oui, pour moi, je pense qu'il serait important de veiller à ce que les engagements auxquels le pays a souscrit soient respectés. Il faudrait intensifier en tout cas les actions de sensibilisation auprès des communautés, mais également des décideurs, pour que nous puissions tous adopter un comportement éco-citoyen. Il faudrait... Euh, un comportement, ça veut dire quoi Un, comportement, éco-citoyen, c'est d'avoir euh, des attitudes ou un comportement qui ne nuisent pas à l'environnement, à notre cadre de vie. Jeter les ordures partout, ce n'est pas bien. Euh, utiliser trop de sachets plastiques, ce n'est pas bon. Donc tout ce qu'on ne peut pas réutiliser, il faut éviter de l'utiliser. En plus de cela, euh, il, est important de faire une éducation relative à l'environnement pour les plus jeunes. Les enfants, les jeunes doivent comprendre parce que euh, c'est eux qui seront les décideurs de demain. Et en même temps, devons comprendre que la terre, comme on l'a dit, ne nous appartient pas. Nous l'empruntons à nos enfants. Donc, nous devons faire des efforts pour que eux-mêmes ils puissent commencer avec cette fibre écologique pour comprendre quand même qu'on ne peut plus continuer à faire les choses comme avant. Le fleuve ne doit pas continuer à être les dépotoirs de la ville de Niamey, par exemple. On ne doit pas tout déverser dans le fleuve. On ne doit pas jeter tout par terre. On doit empêcher euh, la prolifération des dépotoirs sauvages. Donc ça, c'est des questions qui regardent tout le monde. On doit planter et entretenir des arbres. On doit réduire la coupe abusive du bois. Aujourd'hui, si le fleuve est dans cet état, c'est parce que il n'y a plus d'arbres tout au long de la vallée du fleuve. Les espaces verts doivent être protégés, doivent être euh, privilégiés. Les gens doivent arrêter de vivre dans la ceinture verte ou de construire au sein de la ceinture verte. Merci beaucoup, Rapidement, vos propositions de solutions des Des organes de presse, surtout privés. Euh, de pouvoir de, de, de, trouver des plages ou bien des espaces à accorder aux journalistes qui s'intéresseraient aux questions environnementales afin de créer ou bien de réaliser des reportages. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Euh, ce qu'il faut retenir, euh, c'est que euh, selon certains, malgré les efforts considérables du gouvernement nigérien et ses partenaires, beaucoup reste à faire. Selon certains aussi, les promoteurs des médias ne facilitent pas aux, journalistes de s'intéresser régulièrement aux questions environnementales ici au Niger. Merci à vous trois, Sani Aboubakar membre du réseau des journalistes pour euh, l'environnement, Mariama Adamou, réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et Sani Ayouba, euh, secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour euh, l'environnement. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Abdelkader Tchombiano. Merci au revoir.